retrouver sur votre émission des jeunes domin gaisa da fatan alheri zuwa gare ku a mu na fada mun yi zance tare da wasu cikin ku masu turaren mu savoir un sou sur les canaux qu'ils utilisent pour s'informer et leurs programmes favoris. Aujourd'hui, nous sommes avec nos jeunes collègues journalistes, animateurs de Aiki Chicken Radio, D'ailleurs, on en a un paquet. Les médias. Juste à Niamey, nous avons 14 télévisions privées deux télévisions publiques, une trentaine de médias, presse écrite, da radio ma, de waɗanda hallo qui passe kan internet kuma an na gai su. Dukka mafi yawan su kuma matasa ne ke aiki a cikin su. Masu rahoto, labaru da wasu 'yan shirye-shirye da kuke sha'awa, gani da shurare. Ce numéro est une véritable immersion dans l'univers de ces hommes de médias. Comment travaillent-ils au quotidien pour nous servir à tous ces programmes Bien calé à la maison de la presse dans les locaux du ministère de la Communication, on en parle avec. Je suis Hawa Maman, je suis journaliste. Ok, journaliste où Je travaille dans une télévision publique. Voilà. Ni Sunana Abdurazak Ami de Leyo, on a question de la camion Suna Leo Razak. Journaliste animateur là-bas. Super. Nous sommes avec la Miss de cette fada aujourd'hui. Samira Yakiradama. Oui, bonjour, moi c'est Samira Wafi, je suis journaliste numérique, animatrice et traductrice en langue. Ok, elle, elle est du studio Kalangu. Bah amma kusa fara tamu La da qui muke tahe la rubrique sera préparée par Miss Dondi et la chronique de notre chroniqueur chouchou Olivier. Ils sont partout, à la télévision, dans vos postes radio, les journaux en ligne, kai su ne rahoto, mahawara da wasu shirye-shirye na shakatawa da raye-raye da kaɗe-kaɗe duka da kuke gani a cikin kafofin watsa labaru. Duka ga sunan yau mun gayyato su. dabda zan fara tambaya ta ta farko ina so ku gaya muna mi yasa sama ma hawa gare ki zan fara mi yasa kika rungumi wannan aikin cikin duka ayyuka kala kala kala da ke da kwai me yasa kika rungumi wannan aikin na jarida ina so in sani to aikin dai na jarida ina ra'ayinta ne tun ban mm. shiga kin ta ba ina ra'ayin durwa da jarida eh. sai na fara durwa Ok. Je suis allée jusqu'en deuxième année. Ok. Euh, je devrais reprendre l'année. J'ai dit, bon, je ne suis pas aussi bête que ça. J'ai laissé tomber. <laughs> Parce que j'ai passé au moins 5 à 6 ans à la FCG et étant en deuxième année. Oula, oh c'est chaud. Avec hein. toutes les difficultés qu'on a connues dans les années 2000, 2005, 6. Donc j'ai arrêté, je me suis tournée vers mon autre passion, euh, le journalisme. Ok. Voilà comment j'ai atterri dans le monde des médias. Hmm. Ok, Léo Razak, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui parle beaucoup ce qui ce que parfois on attribue à tort ou à raison aux journalistes depuis euh, notamment l'école primaire euh, jusqu'au collège voilà j'ai toujours été réellement quelqu'un qui parle beaucoup et euh, concrètement c'est c'est venu par le biais de l'animation Hmm. Voilà, je regardais les grands frères faire. Euh, sinon, je n'étais pas quelqu'un qui a beaucoup écouté euh, la radio ou la télévision. Mais quand même. Euh, Et voilà, donc je suivais aussi les grands frères qui étaient dans la chose, qui animaient surtout vers 2006, 2007, tout ça, jusqu'en 8. mais concrètement, j'ai commencé pour moi à partir de 2012. Voilà. Ok. Nous avons euh, notre cadette sur cette émission. Samira, tu es plutôt. Euh, euh a ce sabon shiga cikin wannan aikin na jarida ina so in sanya aka kai kuma samu kanki cikin wannan aikin So, dès le début, étant enfant, je suis une fille qui parle beaucoup et puis je pose énormément de questions. Et tout le monde me disait, toi, tu serais bien eh, en étant journaliste. Mais moi, ça ne me plaisait pas trop parce que je n'aime pas m'afficher. J'ai honte de parler en public et tout. Hmm. Mais un jour, lors d'une formation, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait euh, euh, aimer le métier du journalisme. Et il m'a appelé, il m'a dit, dis-moi, j'ai vu que tu aimes écrire. Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu peux être journaliste numérique J'ai dit oui, avec une formation, je peux. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et après ça, j'ai vu comment se passait la traduction en langue. tout da nima ba Hausa ce, eh. ina jin daɗin aikin. Tun na zo studio Kalangu, ina ganin waɗanda ke yin harshen Hausa suna fassara sai ta burge ni in naga ke na to so in san hawa quoi ça consiste au quotidien pour ceux qui n'ont pas accès aux locaux de nos médias en quoi ça consiste aikin namu muka euh, le travail consiste à faire des reportages okay la présentation des journaux, les éditions, les émissions, l'animation des émissions aussi. Ok. Les reportages, c'est tous les jours. Hmm. Moi, je suis dans un média où on fait trop de social, donc euh, on ne fait pas trop de couverture et tous les matins, on est obligé de réfléchir pour trouver des sujets. Et... C'est à à a sa cikin journal <laughs> a sa cikin journal d'accord yanzu ina so in san Léo Raza qu'est-ce qui rend ce métier spécial pour toi menene yasa yake burge ka cikin wannan aikin da kake yi idai gaskiya aikin ga abubuwan da yasa na hada cikin shi ma dan dai in rinka bulaguro ne ni kawai can gaba yana dauka ma da abin da ke birge ni kenan cikin wasan sai ga shi an wayi sahiya tun da na fara aikin ga ban taɓa hita Nijar ba na oh, sha kwandogowa ni da gaskiya abun yana cimin tuwa kwarya <laughs> abin da ya sa maka ka shiga baka same shi ba nace to kakana an kai wanga abun ca an kai da a'an jarida dai suna bulaguro suna tiya suna da nace to shikenan ni ma daga yau zan zama dan jarida na ko zama dan jarida amma gaskiya kin ga zuwa na wallahi nake miki yo hal passport na yi wani kawai an yi bisan ka yi free <laughs> passport ina yin aje hal ake cewa kirrab sai in sa kai <laughs> to har yanzu kuma waye cikin bai zo ba abin ya ci ya canya to <laughs> ke ma ya kai an yi bisan ki a wurin ke ma kamar leora za ya kai ke kuma ke burge ki cikin aikin da kike abin da ke burge dai tun da farko ke shaida ce na ga fotunan ku kun yi voyage kun tai kun yi wasu formation gaskiya abun ya yi matukar burge ni sai nake ta gaskiya ni abun da ma ya kaga bani sha'awa tun da cikin aikin da nake na journalist mai ni dai ce mace ma a studio kalangu da ke wannan eh, aiki duk eh. sauran maza ne na ce to kenan Allah ya dai an ka ce ga opportunity ta zo na san da ni za a ci an yi. amma har yanzu ina nan ina jira <laughs> ko da wannan bulaguran na yanzu ki samuwa gaskiya ana nan dai <laughs> ana nan to Allah ya zo karshe hawa su wannan shirye-shiryen da kuke yi ai al'umma ce kuke ma to kuma ina so in san hulɗar taku da kamar abin da ake cewa public naku go oh, téléspectateurs, d'auditeurs comment ça se passe relation avec tsakaninku da comment ça se passe oh, interaction feedback comment ça se passe avec eux votre public ben, je dirais qu'en dehors du travail sur le terrain, on n'a pas particulièrement de relations avec les gens. Mais quand même, on a de temps en temps les retours des gens. Uh-huh. Ceux qui nous reconnaissent ou qui ont des contacts qui disent euh, une telle, j'ai vu ton reportage, c'était pertinent, tout ça. Voilà, et les thèmes, voilà, le traitement, tout ça, là, les gens apprécient. Mais maintenant, toi, Léo Razak, toi, tu as plus de contact euh, avec euh, le public, je peux dire, parce que tu animes beaucoup d'émissions avec plein de jeunes, c'est ça Comment ça se passe On est très en contact avec la jeunesse parce qu'on s'occupe un peu de leur musique, entre autres, de leurs artistes aussi. On est hip-hop. Donc, mudu su mu jibu juna sosai gaskiya lokuran passe très bien to kenan yanzu da yake cikin aikin hallo na jarida wataran hmm. sai an je an tambayo a cikin masu tambayoyi sai kun yi enquête kinku bisa vos sujets hmm. yani comment ça se passe avec euh, vos interlocuteurs kuna son yanzu kaman ka abin ka taka cikin gari ne hakan ga ka mika mikron ka ne comment c'est plus ah, facile pour toi ah ou c'est un peu plus compliqué kin san harkokin wata rana suna tija wata hannu kuma <laughs> an a riga an san ka dan dama dama ko a dan dama dama samira yanzu in zo gare ki ke kuma inda kike studio kalangu kamar shirye-shirye ne ki hakina na mata sala. yanzu ya ne hulɗanki da waɗannan wanda kike ma ayyukan naku musamman ma 'ya matan kenan ya ne kuke samu kuna samun feedback kinsu kuna samun rotor rubusa kan aikin da kuke yi to kisan cikin kowane aiki ba a rasa matsala amma dai da lansambul tuva biyan ana ce amma wata ana iya ka shirya komi zaka gabatar da shirin da komi da komai wa'anda ka gayyata ba su zowa ko ko bi su zo guda bai zo ba wannan na sa abun ya lalace baka iya yin hira da mutum guda daya ka samu karan sanki minute ko inar doitan dole sai ka samu jama'a wata ana samu wata matsala har ya sa ya kawo matsala tsakanin ka kai da manyanka to kun jira jama'a dai wannan yan jirin da muke tare da su aikin da suke ku suke ma kenan an ka gane su da mikrokinsu a kan hanya suna tambayar ku kudan sauƙaƙa musu abin don kuma ku samu amku shirin ku yayi daɗi. On va aller écouter euh, la rubrique cette fois-ci de Miss Dondi. mu cikin rubrikin tashi wannan gaban da waye hira et on se retrouve juste après sur ça la fada. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. et Nous allons recevoir un artiste pétri de talent, un artiste chanteur, musicien, beatmaker, réalisateur. Si c'est pas nous, c'est qui magangi fo haniza look at da hankuri ai ha mano, ago simbiri nai se hale gainu wanguno ai na sai bumbo gangino manti fu gangibo manti sagira gangimo digo gahara kar gangino gangyo ai zigo gahara nagama aga tuba da go aina talya kar alula haligala sar aina kotta keri alula haligala sar gengar Talia Talya eh, Talya Talya Talia, Talia, kaga funjero bande see funjero bande kokiyo hari wala haini hari dare yes i Don't dondi la machine te souhaite la bienvenue sur le studio Kalangu t'es sur l'artiste s'exprime on c'est un lieu où les jeunes se brutalisent dans le seul but de casser ce qu'on appelle la baraque dare comment tu vas inai se ay maka ay ne sikoy ino no noru ay ne ay sikoy idirgay fali ay ne ay sikoy inday diga candi candi windi bindi ganji karasin da danji kalkubay idirgay nan mai wanji ga koy irum sara muso mai kati musa musa dare ddh director kaina tobay aka malam musa mai zabura appelez-moi désormais Moussa parce que Moussa c'est mon nom je m'appelle Moussa Mamandare <laughs> Moussa savons Daré. On t'a connu avec Daré Tovey. Après DDH, explique-moi un peu ce concept. J'avais chanté une chanson. a se bani Donc, de l'ampleur de la chanson, les gens m'ont appelé euh, avec le nom de ma chanson Tobey Tobey ouais, ça, ça va de pair. Je suis un radia, Comme je le dis in hajin banza ne ba barkata je mana haba malan ka ji mana wakar da muke yi kudi muke ci mana shirish totale pauvreté top rivalité donc tu passes de côté quand ah, que tu fasses tu ne peux pas m'arrêter tout ce que tu peux c'est la rivalité ah, ah, Dari on va parler un peu de tes débuts parce que c'est ça un peu la philosophie du premier y a pas de problème tu as commencé par quoi Dari j'avais commencé par euh, le clash le clash en 2006. 2006. L'association Fofomag et le studio Flo avaient organisé la première édition du Clash Hip Hop au CCFN de Niamey, où j'étais lauréat. Mhm. Donc euh, c'était là-bas, j'ai rencontré Alma Mikoy. Et dès là, du Clash, euh, j'ai bousculé à, l'animation. Mhm. Maintenant, de l'animation, j'ai commencé la musique. Et c'est parti comme ça. Allons-y. Tu te rappelles de ta toute première chanson ou de la toute première musique que tu as interprétée Oui, bien sûr, je me rappelle. Euh, c'était une chanson de Révolution. La chanson, le titre, c'était Young Revolution. Young Revolution. C'était en quelle année C'était en 2007-2008. Donc, ça fait pratiquement 14 ans que tu es dans ce game 14 ans. Dans ce game sans égratignure. Ouais, Parce que tu t'en sors bien. On voit que les choses ne font qu'avancer. Très bien, Très bien. Très bien. Alors, Daré, quelle est la chanson qui t'a fait découvrir Cette chanson qui t'a donné cette visibilité à l'égard donc euh, du monde entier Et euh, c'était la chanson Ma, une chanson que j'ai fait pour les mamans. Ok. C'est après la sortie de cette chanson que les gens ont commencé à mettre les yeux sur moi. Mhm. Et deux mois après, j'avais sorti la chanson euh, Tobay qui, qui, était une bombe qui, avait explosé le monde. On va parler de ça dans un deuxième angle. Alors pendant donc euh, tout ce temps, de, parlons du parcours du combattant. Euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés Est-ce que tu as rencontré des facilités Est-ce que tu as rencontré, tu as rencontré, tu as rencontré Parlons euh, de tout ça sur cette émission en quelques fractions de secondes. Des difficultés, on n'en manque jamais dans tous ces ce de la vie. La musique, ça va, ça fait ici au Niger Oui, ça fait très bien si tu sais vraiment comment faire la musique, si tu sais vraiment comment faire tes trucs business, c'est à toi de le gérer. Mhm. Tu vois un peu, non mhm. Et, tu, pourras vivre de ton business, bien sûr. Ok, super. Alors, nous sommes à la fin donc, de cette première partie. Est-ce que tu as un message à l'endroit de toute cette jeunesse qui nous kiffe, euh, qui regarde cette émission, un message qui vient de toi, propre Tout ce que tu as envie de dire sur ce premier angle. Le propre message que j'ai à cette jeunesse, c'est de s'élever, c'est de faire le combat, c'est de travailler. Parce que sans le travail, euh, euh, il n'y a pas de vie, quoi il faut positiver. Positivons, c'est avec ce beau message que nous allons prendre congé de nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui kiffent cette rubrique à travers le site du studio Kalangu, qui suivent aussi cette rubrique à travers l'émission Tous à la Fab C'était DDH, la machine. Sur ces hey. avec euh, l'artiste s'exprime avec euh, Mr. Dondi yanzu zan mu dawo fada inda muke muna hira tare da abokanmu ah, amunanmu yan jarida da animator da suke muku wannan shirye-shiryen da kuke ji labaru ne a talabijin a rediyo duka ko ina su ne muna so mu ji aikin nasu ne suke yin shi kuma wannan aikin wanda suke nan gama shi yani hulɗa su take he yanzu bisa kan wannan muka yi zance za mu ci gaba da shirin namu da wannan tambaya pour euh, certains vous êtes plutôt débutants wasu kuma moins dans ce milieu, vous arrivez à vous épanouir, Hawa Toi, ça fait un moment que tu es dans les médias, c'est ça, non Ça fait plus d'une décennie que je travaille dans, dans les ah ouais. médias. Ça, ça fait euh, un moment quand même. Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire Tu arrives à t'épanouir D'abord, pour être épanoui, il faut profiter de ce qu'on fait et ce n'est pas toujours le cas. Après trois ans d'études, après le bac, avec un diplôme équivalent euh, à la licence, uh-huh. tu te retrouves avec des pécules de 50, 60 000. C'est vraiment dérisoire par rapport à ce que tu, donnes. Ouais, ouais, Il y a trop de tâches et avec 50 euh, 000 et 60 000 francs, je ne pense pas qu'on puisse s'épanouir. On ne peut pas vivre décemment. Okay. La première difficulté, c'est vraiment ça. La rémunération qui n'est pas vraiment top. Voilà. D'accord. Yanzuba, ko da yake wannan kuma an babu shi ai aikin ma duka ya tabarbare yau ni motivation kin ma da ida ma za su kubce maka sai salu su si yo malam kana aiki yanzu in na gane aikin shi kuma ka ni yanzu aka yi zancen kuɗi aiki <laughs> in babu kuɗi aikin ma kuma ma san ya zani ja musu kan aikin ba ana da ana so dai ana ta yi dai kenan yanzu in na gane dai eh haka dai ne ana son abu a shiga ciki a zamna haka na ai ai tai wannan dai zaka kai wurin wurin da zaka ci karo da wasu abubuwa sai ka ci aiki ma na hwasa sai ka koma kasuwanci okay to kenan ina gane abin da kuke nihi anan da a ce kun samu vraiment tout ce qu'il faut vous aurez pu être genre feu d'artifice quoi. Bah oui, forcément. Et puis euh, forcément. aller euh, taper, cogner, machin truc, ramasser tout et puis venir. On voit ce qui se passe au fait de la sous-région. Ouais. On, on, voit toutes ces personnes qui font la même chose que nous ici. Euh, qui sont soit de l'animation ou dans le journalisme. C'est, ce qu'elles font, ces personnes-là, ce n'est pas extraordinaire, mais elles sont dans des conditions. Euh, moi, je me suis retrouvé il y a deux ans sur une activité avec des confrères qui étaient venus du Sénégal, d'autres euh, du Burkina. Non, mais honnêtement, il n'y a pas match entre eux et nous. Salut, se plaignent d'avoir 350 000 par mois, qui c'est pas suffisant. Tu te caches avec tes 113 000. Qu'est-ce que tu vas dire, toi Si un type qui a 350 000 mois se plaint, toi qui n'as pas encore 100 000, tu vas dire quoi on a carrément euh, une question spéciale d'un auditeur. Parce que lui, il veut vraiment savoir, parce qu'il vous voit genre clinquant à la télé. à venir dans le travail. Vas-y, pose la question. <laughs> Voilà. Donc, il vous voit à la télé tout clinquant, tout ça là, tu vois un peu. Il est vraiment impressionné par cet univers, tu vois, il veut savoir si vous gagnez bien votre vie. Mais là là, mm. Est-ce que tu arrives à aborder toutes les thématiques qui t'intéressent, tu arrives à travailler euh, comme tu veux euh, bon, ça, nous sommes d'accord. Euh, selon le média pour lequel tu travailles, euh, tu t'y plies. Ce que veut le média, tu veux. Maintenant, quand il y a des de qui n'en font qu'à leur tête. Shima, à la longue, tu risques de te faire taper sur les doigts. Tu peux de temps en temps, voilà, une petite déviation sympa mais c'est pas tout le temps, quoi. C'est-à-dire, en gros, ce que ta télé veut, tu respectes un peu. tu, vois comme dans tous les services là, on grimpe, on grimpe, on s'installe, puis on grimpe. ça arrive dans, le, dans nos médias ou, dans le journalisme dans, dans, nos médias, si on peut le dire. ah ça, ça, peut arriver. Bon, il y en a qui gagnent très bien dans le journalisme, mais je ne vais pas généraliser, mais il y en a vraiment qui, qui souffrent ah, moi je, connais des collègues qui sont sur le point d'abandonner. Hein. Je suis obligé de, de, négocier, d'expliquer, de, de, de, demander à la personne de tenir bon, ça va aller un jour. Moi, ma, ma philosophie, c'est pas parce que je ne gagne pas bien euh, pour ce que je fais que je ne dois pas bien faire mon travail. Je continue de le faire parce que j'ai choisi de le faire parce que je l'aime. Je vais toujours continuer à le faire, quel que soit ce que je vais récolter. Ouais. J'espère juste un jour que ça va changer. Ok. Mais je reviens vers toi. Et surtout qu'on verra ce changement. Parlons-toi de ton épanouissement dans ce que tu fais. Ça va Tu arrives à. Tu t'épanouis dans ton boulot Tu arrives à travailler et à progresser dans ce que tu fais Oui, euh, exactement. Parce que euh, le milieu dans lequel je suis, du fait que je suis une femme, souvent on ne te croit pas capable de faire certains trucs. Par exemple, euh, même hier avec l'adjoint du rédacteur en chef, on en parlait, il me disait, telle personne, il faut que tu essaies de te professionnaliser dans ce que tu fais. Parce que j'ai eu, eu des échos qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Mais quand même, j'ai demandé à ce que je sois formée dessus. Mon boss a dit qu'on va en reparler et j'attends toujours. Oh. dazu na ji ba da eh. wata tambaya ta cewa akwai kamar wasu tematik da mutanen suna iya yin su cikin eh, abin da aikin kana iya yin an da uh, ya kamata an kake so tuta respectam yansu respectam ba ma zancen link editorial in ba wata rana ma akwai wasu question da baka wasu tambayoyi baka iya zuwa kai ma wani pose in su saboda ba su amsawa kamar kwanaki akwai wani abu da muke cewa fam ebiyan na mata da eh, lafiya a nan mm. kalangu Euh, on a voulu parler bisa kan infection et les maladies sexuellement transmissibles chez la femme. Mm. sai aka ce mu bar wannan zance tunda ka samu mace da za ta zo ta maka magana amma tsakanin mu hakan ga wata na cewa gaskiya ina haka nake ji ga jikina ga nake ji amma ka ce ga mikro ba su iya maka magana ba kowane zance ba kake iya yi kuma mm-hmm. cikin aikin naka ma sai kana yi kana dan okay to cikin wannan shirin namu muna da wani eh, aminu mai shuraren mu <clears throat> daga doso Aliou Moussa, il est très intéressé par cet univers des médias. Et euh, il veut savoir si vous arrivez à vous réaliser et à gagner votre vie. Euh, parce que ku cikin tele irin wannan tsaf tsaf ana walƙiya biya makiye tusa la hawa yanzu da kin fara zancen pecul wa aiki jarida da a ganta daga waje eh, eh okay kana hange yana janyo ka aha et eh. eh, les gens sont facilement désillusionnés hein. il y en a qui sont démotivés à moins d'un an d'exercice de leur fonction, ils sont démotivés. Parce que les réalités, ce n'est pas ce qu'on aperçoit de l'extérieur. déjà, ils veulent passer à autre chose. La première difficulté, c'est ça. Léo

yo na ce miki <laughs> yo sai a hankali gaskiya a garin nan in kace zaka tsaya dan jaridanci ɗai ne za ka yi. Ka ce ano ah, ni ban yin komi sai dan jaridanci ni ban komi sai in nemi labaru. <laughs> <laughs> On va aller avec Soprano Mon Everest et on se retrouve juste après sur Tout ça la Fada. J'ai grimpé, j'ai grimpé, j'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit, on m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination plein de sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon épreuve. Ces MAUX se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs. petite dune de sable <laughs> du désert. <laughs> On revient à la fada. Là, là, je viens à ma dernière question. Mais quand même, elle est journaliste dans un média public nous sommes avec Léo Razak lui est animateur journaliste il a plusieurs cordes à son mm, il est aussi dans un médias de la place nous sommes avec Samira Samira Rouafi elle, elle est animatrice journaliste euh, elle écrit des articles Kai, elle est mannequin, elle est, elle est wajache, elle est actrice, elle est beaucoup de parce choses. Parce que le journalisme Kai. ne suffit pas. <laughs> tu vois, non Har cinéma, na a publicité, commis, <laughs> traduction, transcription. <laughs> voilà. yanzu dai kun ga dai sannu sannu muna nan suna nan suna gaya aikin nasu ya yake wani abin da ake gani da ana ganin dai dai ba a san duhun da ke ciki ba justement on est en train de parler de ce qu'ils font au quotidien, leurs défis, leur travail, comment ils travaillent, qu'est-ce qui, euh, quels sont les avantages liés à leur métier, euh, qu'est-ce qui, les motive, qu'est-ce qui les a motivés à, à, embrasser cette carrière et tout et tout. On va poursuivre cette émission avec cette dernière question. Qu'est-ce que vous rencontrez comme problème bon ça c'est ça ça plane genre omniprésent quoi tu vois comment a dit qu'on est de kadar ma mais Yanzo qu'est-ce qu'il y a encore comme euh, problème Tu wannan aikin le problème de d'interlocuteur Okay. Les gens fuient euh, les, les, hommes de médias, de manière générale, mais encore plus la télé. Ouais. Des fois, tu es obligé de, d'expliquer, de réexpliquer le sujet. La personne comprend, tu essaies de convaincre en vain. Tu n'arriveras pas à trouver un seul interlocuteur. Ouais. Et ça, c'est, c'est décevant. Ça, ça. T'aimerais bien faire un, joli article, tu vois, une belle émission avec plein de trucs super vivants, mais il n'y a pas d'être vivant dedans. Léo a ni yau gaskiya wani san ban canzancin kuɗin na hanya a koyon su a shi dai ne wallahi <laughs> kai shi dai ne matsala ta wallahi kawai Allah su amun dan su annabi amun amun <laughs> amun in dai ba cikin gaskiya sun sauya ne ba a cikin lewa kaka sa fanikin ka su yi collect a yau sun san abin da miya da ake sha ai a dama sun sani ko sun san miya da ake sha mana yau mu mu ne fa kuma ta ba mu ruwan daukan kai hira muke da su sun san miya da ake sha wai wai wai Super. Samira. kun zuwa Ina mhm. Matsalolin da kike fuskanta cikin wannan aikin naki da kike yi. to matsalar dai ita ce kamar wadda hawa ta faɗa ne wata gam sai ka rasa wanda zai ma magana ko da ka ce mishi radio ɗaya ne sai ce a ah, murya ta kasa ta kaka shekarun jan ina da wani shirye bisa kan cutar coronavirus mm. amma da ke na samu wani zai magana su duka sun ce ba su yarda da wannan rigakafin ba amma da na ce a bani amsa kowa ce tsoron yake a ji murya shi wasu har da ce a ah, ai aka ji murya ka ana sata cikin wata na'ura ana gane huskan mutum kenan ba su magana <laughs> karama wasu ya ni bela ba wallahi kin dai gani da kuma lofetke ni matashi ni matashiya ce ina fuskantar matsaloli da da mutane na gani kamar akwai wasu sun daɗe ciki sai su gani kamar kai yanzu ka shigo kai baka san komi ba koko suna kwatanta maka da kai ba komi ba ne bancin wannan dai babu wata dai matsala kowane iri ne dai muna isaye mu fuskance ta mu ga yadda za a yi to d'accord sai mu ce ban kura janu yanzu wannan shirin dai mun kusa kawo karshen shi amma kan ban kwana kwata-kwata da wa'annan wanda muka gayyata amma namu journaliste da animateur za mu je shi kuma Olivier mu ji cikin chronique tashi cette fois-ci notre chroniqueur chouchou qu'est-ce qu'il a pour nous au menu et on se retrouve juste après et on se dit au revoir officiellement sur tout ça la fada. Amis auditeurs et auditrices de la FADA, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler du mot handicap. Ce mot est utilisé chaque jour avec beaucoup plus de stigmatisation. Une stigmatisation à l'endroit des personnes dites handicapées. Mais quand on observe un peu ce mot, est-ce qu'on ne distingue pas de deux handicaps Prenons le handicap visible. Par exemple, vous allez rencontrer des personnes qui sont victimes des accidents de la voie publique et qui, après une amputation, vont se retrouver handicapés visibles. Ils seront obligés de se déplacer avec des cannes ou même avec des vélos à trois roues ou tout simplement avec des engins adaptés. Prenons également quelqu'un qui est né avec des problèmes d'yeux et qui malheureusement va se retrouver d'un jour à l'autre sans la vue. Alors la société l'appellera un aveugle ou handicapé visuel. Ça, c'est la face visible de l'handicap. Mais si on observe un peu loin, il y a un tout autre handicap qui est l'handicap invisible. Prenons par exemple le côté financier. Bien, vous avez un projet, vous manquez d'argent pour le financer, eh bien, on peut se considérer dans un cas précis comme étant un handicap financier, ou bien sur le côté sentimental. Sur le plan des relations, par exemple, vous pouvez vous retrouver en état de manque d'affection. Eh bien, vous êtes appelé à être, ou bien vous l'êtes même déjà, un handicapé affectif. Eh bien, c'est sur ce point que je vais conclure cette chronique en disant tout simplement que essayez seulement si le mot handicap désigne tout simplement un manque. Peut-être oui, peut-être non. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique dans laquelle nous allons aborder un autre pan de nos vies, des choses qui vous touchent, qui me touchent, qui nous touchent tous. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Merci bien, Olivier. C'était la chronique euh, de la FADA. C'est la fin de cette émission. Tout ça, la FADA en français. ça Nous étions avec nos chers collègues. Aujourd'hui, c'était une véritable immersion dans notre métier, notre domaine qui brille. Mais au fond, c'est pas si brillant. Voilà. Au Ils aimeraient bien faire plus. Ils aimeraient bien tout casser, enchaîner les sujets euh, et puis euh, s'épanouir dans ce boulot. Mais ils n'y arrivent pas. C'est mieux c'est chaud, ça coince. Hein. Ça coince au niveau de, des sous, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de moyens. Des fois on te bloque, t'es jeune, <laughs> t'es pas expérimenté, t'as trop de fougue, on te ralentit. Hein, on va se souhaiter bon courage et accueillir euh, Dondi. Dondi, comment les choses aillent approfondir parce que haraka Entrer plus en profondeur parce que ne ma pas comme comme case, case, case. Ah, mais bon, <laughs> je ne vais pas rentrer <laughs> dans euh, les détails. 先招呼他啦，呀。